C'est parce que je m'inspire plus, les personnes comme lui. Pour tout ce qu'il fait, pour ça j'ai investi Parce que manager, premier ou deux mois, il c'est pas évident de donner nos contacts. Le fait de faire des mix manière, tous ceux qui travaillé sur le plan international, j'ai contacts, de les amener pour dire Tafa, ou autre jeune comme moi, manager, producteur, artiste, venez bénéficier de cette relation, ce c'est pas facile, c'est pas quelque chose d'évident. De grave, il lu tax c'est parce que c'est pas évident ni ñi mën loolu def grand merci pour ça et c'est ce que signifie le DEVIS c'est un salon où les contacts que vous avez vous le mettez à notre disposition vous le mettez à la disposition des acteurs qui ils ont envie de se lier des relations d'affaires yoo xam ne mën na leen jëlee fii yóbbu mais pour nga xam lan mooy il faut nga nangu dem dans d'autres salons qui ne sont pas au Sénégal aujourd'hui vous le ko doon les artistes yi dañ fiy fees pour dire dama bëgg pour dem sur l'international, les autres salons du monde ñi koy def ñu comme ay docteur cette cette carrière ils se sont ils sont ouverts sur l'international. C'est le de bon moment de se faire des relations mais gars yi xamuñu ko wala alors, ils veulent pas comprendre parce que je pense que depuis ma quatrième édition quatre années ils xam d'où ça Sarr moo top c'est qu'ils professionnel yi entre guillemets ils Sénégal pour voir les bénéficiaires de bénéficier du qui pour que les gens comprennent pas c'est quoi le mais comme tu dis tout le temps, c'est un combat de toujours. Tant que nous avons chaque jour des gens qui s'arrêtent et qui s'approprient du, projet, je pense qu'on arrivera au moment où des va s'organiser tout seul. Prenez but de me rejoindre sans sioron On ne peut pas faire un événement de ce genre tant on n'a pas les accompagnements qu'il faut. Je l'ai dit sur le premier, la rencontre première presse qu'on avait dit. Je pense que c'est l'État qui doit organiser, qui doit accompagner, qui doit accompagner ces initiatives. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques de Québec, nous exporter si on fait tout pour exporter beaucoup d'activités il y a des entrepreneurs qui koy def war nañ mën a accompagner les industries culturelles sur les salons exposés. Nous ñu exporter la création exporter la danse exporter les chanteurs exporter l'industrie culturelle et créative parce qu'ils sont en njëriñ mais c'est toujours comme nous koy da tout seul quand tu fais de gros événements tu fais venir des artistes les billets d'avion coûtent cher le réel, que bon ne secteur est dem les hébergements coûtent cher ne peut pas être nañ En entre autres je pense qu'aujourd'hui, c'est aux acteurs de se mobiliser pour que le début soit une réalité perpétuelle une réalité perpétuelle parce que on on est là. mais du côté de chaque année il li ngay def un acteur comme ça que ci côté un grand artiste et chaque fois il dafay payer un peu de son temps sur ça pour donner du temps pour nous. parce que s'il avait du temps sur lui il ko ci ki nga artiste je pense que mu nekk fii mais temps boobu rek ngay jël di ko jox rek grand on vous dit merci ñun ñoo xam ne moo tax njëriñ bi mu am njëriñ la DMX parce que on a pris de notre argent dem si yeneen salon yu nekk faneen tamit bokk na ci moom ñi nga xam ne il dit il faut plus rater les grands salons parce que c'est là où tu vas passer une autre étape de ta carrière te aujourd'hui pour le peu de salon où je suis allé très sincèrement, il y a beaucoup de choses Même si il y a des choses que j'ai vues, que j'avais pas, il y a que le York Donc merci Grand Loulou, merci euh, l'initiative, merci aussi à Grand Événement, tout le monde dans ça. Je vous dis, je vous demande aux artistes, j'interpelle tous les artistes, j'interpelle les managers, les producteurs sénégalais qui sont là, et même européens et d'autres agents qui sont ici. Du 9 au 11 de ce mois de février, d'être dans les salons de rencontres qui vont se passer à l'Institut français. Venez faire la rencontre de tous ces grandes personnes, comme le directeur du, du festival Jean, qui est là aujourd'hui, faire des échanges, partager ce que vous faites. Vous aurez des opportunités à commercialiser, nous aussi des opportunités à prendre ici et à partager dans le C'est ça que sert le salon DMX. Merci grand. Pour moi, le plus grand, Peut-être que doole yemul te lépp mënuñu ko def mais yow xam nga li nekk suñu kër suñu xol yéene li ñuy def mais on va le faire inch'allah, autant de fois qu'on pourra le faire et félicitations encore merci à tout le monde merci aussi à mon artiste qui est là